façon de voyager. Bienvenue et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambra. Ceci dit, la Umrah islamique célébrera la nuit du dimanche au lundi prochain la fête de Mauloud ou fête de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Un événement de grande envergure commémoré par la confrérie Tidiane. Ce matin, notre reporter Omar Rigo s'est entretenu avec Sheikh Barham sur ce sujet. Un extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition enfin. Le monde a traversé tous les phénomènes et il ne s'est jamais interrompu en ce son. 10 ans. Preuve que c'est une affaire de Dieu, preuve que c'est un, événement euh, attaché à l'amour du prophète Mohammed. Donc euh, c'est un, euh, événement sûr, c'est une valeur sûre. Des problèmes, non, mais des difficultés, peut-être, ça, ça ne manque pas, de la mesure où le Molud n'a pas, pas soutenu. Le Molud de Tchota a beau être le plus grand au Niger n'est pas encore euh, soutenu, je veux dire, euh, financièrement par euh, l'État, dans la mesure où c'est un événement national, c'est un événement culturel, parce que beaucoup de gens ne sont pas religieux, qui partent. Il y en a qui partent juste pour chanter, prier, etc. Mais la majorité des gens qui partent, ils partent là-bas pour acheter, pour vendre, euh, pour, des, pour l'événement culturel euh, que constitue ce rassemblement annuel. Donc euh, le Mouloud, à ce titre, nous demandons à l'État de le supporter au même titre que la cure salée, au même titre que les festivals nationaux, etc. car c'est un événement culturel national d'envergure et qui est une valeur sûre qui perdure bien avant la création de l'État, le du Niger indépendant. L'État existait depuis le temps de Colomb, le Mouloud existait et ça continue. Donc nous pensons que c'est un plaidoyer et que nous avons toujours adressé euh, aux autorités. Nous espérons qu'avec euh, euh, le nouveau régime, nous l'espérons, en tout cas nous les interpellons à ce que vraiment ils, ils accordent à cet événement l'importance qu'il mérite. Ouverture hier matin au restaurant Arc-en-Ciel du séminaire de formation sur la contribution de la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité GRSS à la prévention de l'extrémisme violent PEV. C'était sous la présidence du directeur de cabine du président de la République. Compte rendu S. Adamou et Ibrahim Kantama. Appuyer les institutions de défense et de sécurité dans l'amélioration du contrôle interne et le programme assigné depuis 2014 par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité DECAF, d'où le lieu de cette formation organisée par ce dit centre en collaboration avec le Centre national des études stratégiques et de sécurité CNES à l'ouverture de cette formation. Le coordonnateur de DECAF Niger espère que cette formation est la meilleure occasion d'expérimenter les outils pratiques pour mieux comprendre les causes profondes et déclencheurs de l'insécurité et de l'extrémisme violent, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Madame Liliane Alapini, représentante résidente de la CDAO au Niger, s'est apaisantie sur les points sur lesquels l'accent sera mis durant la formation. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale car elle mettra l'accent cinq jours durant sur les aspects préventifs de l'extrémisme violent en mettant en lien la gouvernance sécuritaire qui cadre parfaitement avec la volonté et la vision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ainsi que la volonté des peuples qui est celle d'avoir un espace sécurisé à l'abri de toute menace permettant la libre circulation des personnes et de leurs biens. La réalisation de cet objectif exige un engagement résolu et sans faille de tous les États membres, mais aussi de tous les partenaires techniques et financiers afin de créer des synergies entre les activités des États au niveau national, régional et international. Dans son discours d'ouverture, M. Sani Ibrahim Abani, docteur du cabinet du président de la République, est aussi revenu sur l'importance et la nécessité de la dite formation. Le Niger, en conformité avec les cadres internationaux en matière de réforme du secteur de la sécurité auquel il a souscrit et pour faire face aux nombreux défis sécuritaires a élaboré différents documents de politique et de stratégie et pris plusieurs mesures en vue d'améliorer la sécurité des personnes, des biens et préserver l'intégrité du territoire national. Il s'agit du PDS, e de la politique nationale des frontières, de la stratégie nationale de sécurité intérieure, de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, pour ne citer que celle-là. Ces efforts appréciables ont permis à notre pays, sous les impulsions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, de maintenir et cultiver une sécurité et une stabilité relevée et saluée par tous les partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux. Cependant, tout comme de nombreux pays engagés dans un processus de RSS, les défis suivants restent à, relever pour pérenniser les acquis et parvenir à une sécurité humaine durable. Il s'agit entre autres de la coordination des appuis des différents partenaires, de l'inclusion des acteurs non étatiques à toutes les phases de la RSS et de l'adaptation du concept de RSS à notre contexte et à nos besoins spécifiques de sécurité. Pour ce dernier défi, la présente formation va sans aucun doute continuer à le relever. Pour cela, chers participants, il est nécessaire de comprendre le concept dans ses généralités avant d'être en mesure de l'intégrer et de l'adapter au contexte nigérien, en particulier dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent. Cette formation a pour objectif global de développer les connaissances et les compétences des participants en gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en lien avec la prévention de l'extrémisme violent afin d'améliorer la sécurité humaine au Niger et au-delà, a martelé le docteur de CNES. Restons toujours avec Aïs Adamou et Ibrahim Contama pour évoquer cette fois-ci la cérémonie d'ouverture de l'atelier de présentation du rapport d'auto-évaluation et des capacités d'auto-évaluation des capacités des parlementaires et des besoins législatifs, suivi de l'élaboration d'un plan d'action de la Commission de la Défense et de la Sécurité. C'est le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la dite cérémonie. Ouvert ce lundi 11 octobre 2021 pour une période de 4 jours, cet atelier organisé par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de CAF et la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale du Niger vise à approfondir les réflexions sur le secret défense gestion des ressources et d'élaboration d'un plan d'action de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Dans son mot de bienvenue à l'occasion, le président de la Commission de défense et de la sécurité s'est apaisanti sur le partenariat des CAF et la Commission sécurité. Il vous souviendra que le 4 juin 2021, nous nous étions séparés à l'hôtel Ténéré de Niamey lors du premier atelier organisé par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève des CAF à l'intention des députés de la nouvelle législature. Ainsi, le présent atelier en est la suite logique. C'est donc l'occasion pour moi d'exprimer à DECAF la profonde gratitude des collègues députés pour le partenariat fructueux qui existe, qu'il entretient depuis 2015 avec notre commission. Au demeurant, comme le temps s'y prête encore, vous me permettrez de remercier très sincèrement Monsieur et Madame Joëlle Route mouran coordinatrice des projets Division Afrique subsaharienne de DECAF Genève, pour les efforts inestimables déployés dans le cadre du partenariat avec en Suisse le renforcement des capacités en faveur de notre commission. C'est le lieu de rassurer une fois de plus des CAF et ses partenaires financiers, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne et le, Royaume de Danemark, que les parlementaires de cette nouvelle législature apporteront tout leur soutien, aussi bien à l'équipe du bureau résident à Niamey qu'à celle du siège à Genève afin de contribuer davantage à améliorer le partenariat. À travers sa voix, l'honorable Djalali Al-Kabous a, au nom du président de l'Assemblée nationale, salué les partenaires avant de revenir sur l'objectif essentiel de la formation avant de déclarer ouvert ce dit atelier. Le présent atelier se tient sous le thème central du secret défense et gestion des ressources cette question du secret de défense a été de plus récurrente lors de précédents ateliers organisés par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité et constitue le principal aspect sur lequel il sera urgent pour nous de légiférer afin de permettre aux députés d'avoir accès à plus d'informations pour exercer pleinement un meilleur contrôle budgétaire sur le secteur de la défense c'est le lieu de relever l'objectif essentiel de cet atelier et d'offrir une plateforme propice à une réflexion approfondie sur les questions de gouvernance de la sécurité dans le contexte géopolitique actuel. Il est donc indéniable que l'objectif de la planification stratégique et opérationnelle permettra aux membres de la Commission de la défense et de la sécurité de travailler selon un plan qui guide la définition de la mise en œuvre de leurs activités conformément à un chronogramme à établir conséquemment. Cet atelier qui s'étend sur une période de quatre jours va outiller davantage les parlementaires de la Commission de la Défense et de Sécurité afin de travailler dans un cadre idéal sur le secret de la défense et la gestion des ressources. Élection hier matin au siège de la Commission nationale des droits humains des membres du bureau de la dite institution à l'insu des votes. Mati El Moussa a été élu président. Madame Kako Fatma, vice-présidente, et Insa Garba, rapporteur général. Suivant un extrait du discours prononcé par le nouveau président de la, dite, de la CNDH, Mati Moussa El Haj. que nous sommes dans un de droit. La commission s'appelle Commission nationale des droits humains. Donc nous sommes les premiers défenseurs des droits dans ce pays à ce titre. Et c'est pour cette raison que je salue aussi le choix qu'ils ont fait, et en toute responsabilité, et que euh, je les félicite pour la participation, en tout cas au scrutin. À l'endroit de mon jeune frère, euh, je salue votre courage. Vous avez eu trois voix sur euh, neuf, ce n'est pas rien. Et je vous félicite en tout cas pour ça. Et à l'endroit de tous les autres commissaires, je voudrais, comme le doyen d'âge l'a dit tout à l'heure, vous rassurer que nous travaillerons, Inch'Allah, en toute symbiose, en toute fraternité. Personne ne sera exclu de la gestion euh, de cette institution. Nous sommes tous des Nigériens, nous sommes tous des citoyens avec les mêmes droits et les mêmes euh, devoirs. La phase électorale comporte toujours une euh, phase de bataille. Euh, grâce à Dieu, cette bataille électorale est aujourd'hui terminée. Donc je m'appelle à la bonne volonté, à la conscience de tous les commissaires pour que tous ensemble, nous nous mettons au service du Niger et de son peuple. Parce que c'est à son nom que nous sommes aujourd'hui élus, c'est à son nom que nous occupons aujourd'hui les fauteuils que nous sommes en train d'occuper. Donc euh, c'est un appel à l'union, à l'unité et à la cohésion au niveau de la commission. Le vote est terminé Nous sommes maintenant tous les mêmes et nous devrons regarder dans la même direction. À l'endroit du doyen d'âge qui a brillamment présidé les opérations, je lui présente mes félicitations puisqu'il a pu les faire aboutir à des mains de maître et lui dire aussi que euh, témoignons euh, lui, aussi toute notre reconnaissance. La commission, normalement au niveau de, son agenda, doit présenter chaque année son rapport d'activité et un rapport sur euh, les droits humains euh, sur l'ensemble du territoire national. Donc nous sommes en octobre, si vous voyez donc on n'a que octobre, novembre et décembre nous, devrons nous, devons de nous mettre à la tâche et avec l'aide du Dieu, Inch'Allah, euh, on fera de notre mieux pour qu'on puisse donner satisfaction à tous ceux qui nous ont fait confiance et à l'ensemble de la population au nom de laquelle nous agissons. Le vendredi dernier, la maison d'arrêt de Niamey a organisé des activités culturelles et sportives Destiné aux détenus en prélude de la 19e journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre de chaque année. Des détails avec le régisseur de la maison d'arrêt de Niamey et le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort dans ce élément du studio Kalango. est partie de euh, nous avons échangé avec les partenaires et voilà les résultats. Euh, je rappelle que euh, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, ou en particulier dans tous les établissements du Niger, nous n'avons pas de couloir de, la mort. Je pense que la dernière exécution date du 21 avril 1976. Par contre, au Niger, euh, même si la peine de mort est prononcée, en tout cas, elle n'est pas exécutée ou elle n'est pas exécutoire. Dans tous les cas, euh, le président de la République, chaque année, sur proposition du ministère de la Justice, signe des décrets de remise gracieuse où ceux-là qui sont condamnés à mort peuvent bénéficier d'une commutation de leur peine. Donc euh, vous avez des détenus qui sont condamnés à, la mort, qui voient leur peine commuée à la condamnation à vie. De la condamnation à vie, des détenus dont euh, l'appel aussi est communié, à, du moins à 30 ans. Je peux vous donner l'exemple des, détenus qui sont là aujourd'hui à la maison d'arrêt de Niamey, qui étaient dans un premier temps condamnés à mort. Euh, l'appel a été commis à, vie, ensuite à 30 ans. Euh, dans deux ans, ils vont quitter la prison, ils ont passé 28 ans à la maison d'arrêt de Ce qui nous manque, c'est les infrastructures. Vous savez, cette prison a été construite dans les années 1947. À l'époque, peut-être que la population de Niamey ne faisait pas 200 000 habitants. Nous avons un problème d'infrastructure. Je pense qu'avec les réformes, d'ailleurs, euh, il y a le ministère de la Justice euh, en train de construire une nouvelle maison d'arrêt euh, d'une capacité, je crois, bien de 1500 détenus et avec toutes les infrastructures qui répondent aux normes internationales. le spectacle que vous venez de voir montre à quel, point nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous devons songer à ces genre d'initiatives euh, sportives et culturelles, qui permettent, qui constituent des activités récréatives pour les détenus. C'est des gens qui sont entre les quatre, quatre murs, c'est des gens qui, les parents ont d'autres idées, c'est des gens qui, ceux qui ne visitent pas les maisons d'arrêt, pensent une autre chose. Alors nous sommes venus pour sonner le glas, pour euh, respecter euh, la constitution du Niger, euh, euh, octroyer la liberté euh, culturelle et sportive aux détenus, comme l'avait bien témoigné la loi 2017. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'interview accordée à la RTVT Cheikh Kabar Hashimi Chota sur les préparatifs de la fête du Maoulouda 69e édition à Chota. Très bonne réception. Au revoir. Le c'est l'événement le plus mobilisateur des Nigériens, euh, pas seulement en direction de Chota, mais aussi euh, en direction de différents mauluds similaires qui se déroulent sur l'ensemble du territoire. Euh, je voudrais vous remercier pour cet intérêt. Effectivement, nous sommes dans la semaine du mouloud de cette année et euh, qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera dans la nuit du 17 au 18 octobre 2021. Et à Tchota, bien évidemment, euh, cet événement prend tout un sens car le mouloud de Tchota, euh, c'est le mouloud le plus ancien, euh, pour ne pas dire le premier à être célébré sur le territoire national. C'est le Mouloud le plus mobilisateur, c'est le Mouloud le plus emblématique en, termes de ferveur religieuse ou vraiment les musulmans, les croyants du Niger et de la sous-région se dirige euh, chaque année comme un seul homme. Et ce cette année fête sa 69e édition. C'est dire que dans un an, ce devra aura fêté sa 70e année sans interruption depuis la première édition. Ça veut dire beaucoup de choses pour le croyant, pour les musulmans, pour nous autres qui sommes convaincus que Quelque chose qui est erroné ne peut pas durer 70 ans. Quelque chose qui est faux ne peut pas durer 70 ans. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que le mensonge a beau prospérer, il ne durera pas 20 euh, ans. Et voilà que ce Mouloud, que d'aucuns euh, n'hésite pas à décrire, pour des raisons, on sait, idéologiques et politiques, pas religieux, euh, ce Mouloud-là, euh, non seulement n'arrête pas de, croître n'arrête pas de se multiplier dans l'espace et dans le temps, mais aussi ce Mouloud euh, ne s'est jamais interrompu. Alors qu'on a même vu des fêtes soutenues par l'État, euh, faute de souvent de moyens, à cause de certaines contingences, ces fêtes ont été euh, passées sous silence à certaines années de sécheresse, etc. Mais le Mouloud a traversé tous les phénomènes et il ne s'est jamais eh, interrompu en 70 ans. Preuve que c'est une affaire de Dieu, preuve que c'est un, événement euh, attaché à l'amour du prophète Mohammed Donc euh, c'est un, euh, événement eh, sûr, c'est une valeur sûre. Des problèmes, non, mais des difficultés, peut-être, ça, ça ne manque pas, de la mesure où le Molud n'a pas, pas soutenu. Le Molud de Tchota a beau être euh, le plus grand euh, au Niger, n'est pas encore euh, soutenu, je veux dire, financièrement par l'État, dans la mesure où c'est un événement national, c'est un événement culturel, parce que beaucoup de gens ne sont pas religieux, qui partent. Il y en a qui partent juste pour chanter, prier, etc. Mais la majorité des gens qui partent, ils partent là-bas pour acheter, pour vendre, euh, pour, pour l'événement culturel euh, que constitue ce rassemblement annuel. Donc euh, le Mouloud, à ce titre, nous demandons à l'État de les supporter au même titre que la cure salée, au même titre que les festivals nationaux, etc. Euh, car c'est un événement culturel national d'envergure euh, et qui est une valeur sûre qui perdure euh, bien avant la création de l'État, le du Niger indépendant. L'État existait depuis le temps de Colomb, le module existait et ça continue. Donc nous pensons que c'est un plaidoyer que nous avons toujours adressé aux autorités. Nous espérons qu'avec le nouveau régime, nous l'espérons, en tout cas nous les interpellons à ce que vraiment il, accorde euh, à cet événement l'importance euh, qu'il mérite. Vous parlez des, difficultés, ça évidemment il y en a. Il y a un problème de, mobilité, un problème d'eau, euh, un problème, un manque d'eau claire qui ne s'explique pas quand on sait qu'on vit dans le Boboy où vraiment, vraiment l'eau est à 1 mètre, 2 mètres, mais Qu'est-ce qui explique ça Mais c'est parce qu'il y a aussi, à cause de toilettes, euh, de douches, euh, l'eau aussi qui est à un mètre de là est en train de se polluer. Donc, ce n'est pas une eau à laquelle on peut se fier. Donc, euh, vous voyez, c'est un des problèmes. Donc, l'eau potable fait défaut lors du Mouloud. Et quand on sait que c'est un événement religieux aussi, l'eau est, beaucoup utilisée dans les ablutions et autres. Donc, ce qui fait que vraiment le manque d'eau se fait sentir de façon dramatique lors de cet, événement. il y a aussi le problème de, la circulation vraiment, même s'il y a quelques pistes rurales, euh, telles que la, celle qui desserve Harkanasu, qui a, qui a été construite cette année, il y a aussi la, la, qui passe par... Euh, et celle qui va à Moko, etc., euh, il n'en demeure pas moins que vraiment euh, la route principale qui va de Bindingaouri à Chota est très délabrée. cette route aussi mérite d'être euh, renouvelée, mérite d'être modernisée. On a même vu des années où des accidents de la circulation se produisaient sur cet axe. Euh, touchant du bois, prions Allah de Tout-Puissant que cette année tout se déroule bien sur tous ces axes, sur tous ces latérites, que vraiment euh, les choses se déroulent bien. C'est pourquoi nous, au niveau de l'organisation du MOLUD, selon le de la nouvelle structure, ça s'appelle tout simplement l'organisation du MOLUD de Chouata. Au niveau de cette structure, nous avons mis en place une commission aux routes et espaces. Cette commission a pour rôle de dégager les espaces de les assainir, de les aménager, mais aussi de, placer des panneaux de signalisation avec ces modestes moyens, bien sûr, au niveau de, certaines, de certains virages, de certains endroits où vraiment on estime que la route peut s'avérer dangereuse à ces endroits, mais aussi de construire même des, cassis euh, suivant la norme euh, pour permettre aux automobilistes de ne pas euh, aborder ces virages trop abrupts de façon euh, à, à, grande vitesse, je veux dire, pour éviter le, le maximum d'accidents. Donc euh, voilà, euh, en termes de difficultés, mais il y a aussi l'hébergement. Il faut héberger tout ce beau monde, il faut les nourrir. Ça, ça, dépasse nos capacités. Ça dépasse nos capacités. C'est le lieu pour moi de, de saluer l'action d'une jeune association, une daïra de la communauté sénégalaise qui est au Niger. C'est des jeunes vraiment qui, depuis cinq ans sont en train de, nous montrer la voie. C'est des jeunes Sénégalais qui, sont, qui vivent ici à Niamey et qui partent chaque année à Tchota. Et ils ne, se préoccupent pas d'aller euh, euh, dans les cérémonies religieuses. Non, eux, ils ont un endroit où ils amènent des bœufs, des, des, des tonnes de riz qu'ils ils cuisinent et ils distribuent bénévolement à la population. Cette année, vous allez les voir à l'œuvre. Vraiment, c'est des jeunes qui, cette année, eh, ce qu'ils font, ils ont, dans leur art, ils ont atteint eh, eh, une vitesse croisière, euh, de croisière parce que cette année, ils ont commencé il y a 4 ans avec un seul bœuf, mais cette année, ils sont allés jusqu'à 5 avec des tonnes de riz qu'ils vont cuisiner euh, un seul est distribué à la population. Vraiment, c'est un exemple pour notre jeunesse à, imiter. Donc, euh, il faut saluer aussi euh, le calife Cheikh Moussa, qui, qui, est vraiment le chef suprême de, cette euh, communauté, et qui lui aussi, il a fait beaucoup d'efforts en construisant de, nouveaux hangars, en, renouvelant les centres d'hébergement et les espaces devant accueillir les foules le temps de la cérémonie, les euh, euh, notre structure aussi a électrifié ces espaces-là, euh, élagué des arbres, et, préparé aussi des, plats. Cette année, l'association compte à atteindre à elle seule 10 000 plats. Bon, même l'année dernière, on n'était pas plein de 10, on n'était pas loin de 10 000 plats. Euh, on était autour de 8 000. Cette année, la station à elle seule veut atteindre 10 000 plats euh, qu'elle va cuisiner et distribuer euh, aux foules. C'est l'occasion pour nous d'inviter tout le monde, y compris les chaînes, Tambara et autres aussi peuvent faire de la charité. Pourquoi pas <laughs> aller cuisiner et distribuer à la population. Donc vraiment, c'est le moment pour les, bénévoles, pour les, pour les mécènes euh, de, tout genre euh, de venir euh, maximiser les, bonnes actions en, aidant cette population, en nourrissant cette population, en soignant cette population, en, apportant toutes sortes d'aides qu'on peut apporter. Et ça, on le fait pour le prophète On le fait pour le plaisir euh, de se sentir, euh, d'exprimer sa joie euh, à l'arrivée dans ce monde de ce prophète magnifique, de ce prophète qui est une miséricorde, une lumière pour l'humanité, une lumière pour l'univers tout entier. Toute âme habitée par une parcelle de foi doit exprimer sa joie à cette occasion. C'est ça qui exprime tout cet engouement qui ne, s'arrête pas. Je voudrais juste rappeler que nous vivons dans un contexte euh, de, euh, double d'insécurité et de euh, et sanitaire aussi avec la Covid-19 qui n'est pas encore disparue et surtout dans des moments de, de, de, grands rassemblements de ce genre, il, est, serait utile vraiment d'appeler tout un chacun a plus de vigilance, a plus de, prudence dans, dans, euh, son comportement euh, vis-à-vis par rapport à cette pandémie qui est contagieuse. Donc le port de, masques masque euh, s'avère très important pour la population, ne serait-ce qu'à cause de la poussière que les gens qui circulent soulèvent on a constaté que chaque année, il y a des gens qui reviennent avec, avec du rhume à cause de cette poussière-là. Donc, il y a aussi même euh, un début de choléra qui circulent un peu dans certaines zones de, ce pays. Donc euh, tout ça là, parce que le moulin n'est pas interdit à qui que ce soit, donc on imagine que n'importe qui peut venir. Donc vraiment, là aussi les gens doivent vraiment prêter très attention, ils doivent euh, avoir les réflexes de, se laver régulièrement euh, les mains, les visages, etc. Donc il faut aussi que les gens évitent les endroits, les bousculades euh, qui peuvent souvent être dangereuses. Il faut que les gens évitent aussi l'utilisation des produits inflammables, euh, surtout au niveau des commerces, tels que la vente de kérosène, qui sont vraiment des, produits euh, dangereux. Donc il faut aussi que eh, les gens prêtent attention eh, à, à leur poche. Souvent, il y a des, petits malfrats qui se glissent dans la foule pour euh, euh, subtiliser le portable et autres. Donc euh, voilà, ça c'est des conseils que je donne vraiment à la population. évidemment, nous avons parlé de, de, de difficultés d'organisation, de, financement. Donc c'est pour cela que cette année, les réflexions sont orientées vers les moyens euh, de trouver un financement autonome et pérenne pour le Mouloud. Comment s'organiser pour que euh, le Mouloud puisse euh, s'autofinancer de manière autonome quand on le voit au Sénégal, et par exemple en, instituant une cotisation, je ne sais pas, au niveau des structures religieuses, au niveau des associations, au niveau des, comités des jeunes, etc., qui, participent à l'organisation pour qu'on puisse vraiment euh, mettre en place un système de, captation d'une cotisation qui permet eh, vraiment euh, d'investir dans tous ces domaines, y compris dans les routes le faut, euh, euh, puisque l'État ne peut pas tout faire, même si vraiment, pour le moment, nous n'avons pas ce moyen, nous attendons l'État pour que l'État nous aide à, faire, à faire ces routes-là, mais aussi dans, l'avenir, euh, si cette organisation arrive à, se mettre en place, tout ce qui est problème de voirie dans la ville de Chota, vraiment cette, cette, association à travers cette cotisation, à travers ce système de, financement autonome, arrivera à les mettre en place, puisque à Chota, le manque de lors de, l'événement Mouloud est tel que eh, toutes les rues, toutes les rues et les ruelles adjacentes aux herbes du Mouloud euh, doivent être euh, aménagées, éclairées eh, pour qu'elles eh, puissent servir euh, d'espace euh, pour les participants euh, qui ne veulent qu'un endroit calme, confortable pour passer la nuit et pour, veiller durant cette nuit et participer au Mouloud.